Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs de la Web TV Elvision Média, nous voilà en direct du stade Alassane Diego de Pékin pour le démarrage des compétitions des Navetan de la zone 10 de Sikapmba. aux côtés du coach de l'ASC Ngalam, le vainqueur du tenant du titre, ASC Medina Fasbao. Monsieur, comment vous allez Ça va, ça va, ça va, Alhamdulillah. Voilà. Ça va, Alhamdulillah. Je, vois que, je vois que vous avez la voix cassée, Barbi Fadé, parce que voilà. les Légui, exactement. savons exactement match a un dispositif de jël préparation et ba mëna tay nga 2-0 bon c'est la première fois bon ma suis euh, ci zone zone 10 c'est la première fois que je man maa évolué zone bon je suis man que suis parce que je véhiculé véhiculer à Kalaï je suis préparé ma soxla man ma équipe c'est le plan physique c'est le plan tactique bon c'est ce que andi te xëy peut-être li kanam bon moi li ñu wane je pense bien bon maa respecter aussi adversaire bi adversaire bu risque la aussi vraiment engagement bi am na répondant bi am na ci ñaari côté yëpp bon ci sama côté côté équipe adverse bi vraiment maa leen di félicité bu baax. ban message ngay jox ci say supporters ak say joueurs ak say adversaires aussi ci prochain match yi top. bon ñu gën a serré waat euh, seen ceinture euh, gëm ne football dafa am vainqueur am vaincu bon ñu xamné football fair play bi ñun ngalam lañ soxla fair play au moins supporters yi ci cadre lañ nous ñu ko sans violence ñu xamné équipe ngalam ak équipe la éviter violence vraiment man équipe bi ma yor nous fair play ci zone ah. ok mesdames mesdemoiselles et messieurs nous voilà au stade Alassane Diego de Pikine pour le premier match de la, des phases de groupe de la zone 10. En voici, voici à ma droite le président de l'ASC Ngalam qui est vainqueur, qui a battu l'ASC Medina Fasmbao sur 2 buts à 0. Monsieur le président, comment vous allez Ça va, ça va, ça va. Alors euh, voilà, les matchs, nous le déroulement, nous avons kii jëloon affaire yi daaw danga ñëw yan ko 2-0 nan nga gisee nan nga lan nga mën a wax ci ci prestation bi. waaw li may mën a wax ñoom euh, di féliciter samay joueurs. Hmm. di féliciter ASC bi yëpp ASC ASC ngalam yëpp bàyyi ma kenn ah. à part loolu di féliciter joueurs yi. nga xam ne ñoom ñoo nekkoon euh, maanaam euh, arme de yi. ci biir terrain bi sonn ci loolu. ak ASC bi yëpp ak ASC bi yëpp. tey nii la mënoon demee dañoo ñëw ànd ak ñun ñëpp takku liggéey sooy seet comme ni ma koy waxee chaque jour lu may wax maay caatu président yi. je suis là avec le secrétaire général de l'ASC Medina Fassmbaw qui a été vaincu sur deux buts à zéro par l'ASC Ngalam monsieur le secrétaire comment vous allez euh, je vais bien merci beaucoup vu le déroulement du match l'année passée vous étiez le vainqueur de, la, compétition. Cette année, pour votre match de démarrage, on vous a battu par 2 buts à 0. Comment trouvez-vous cela euh, euh, Aujourd'hui, on n'était pas à la hauteur euh, comme on était l'année dernière. Mais je pense que c'est le début de la compétition. Les joueurs ne sont pas en forme, ne sont pas en âme et nous avons des départs et des arrivées. Et je pense que la mayonnaise n'a pas encore pris forme, c'est pour cela. On a été vaincu parce que ils ont eu deux occasions, ils ont concrétisé, alors que nous, nous avons la possession, mais on n'était pas euh, efficace devant. Alors, quel message allez-vous vous donner à vos supporters, à vos joueurs euh, Un message de félicitations, euh, un message d'encouragement, parce que ce n'était pas aussi eh, bien organisé, parce que c'est le premier match. il y a des zones qu'on doit améliorer, mais je les lance qu'ils doivent être derrière l'équipe. Euh, pendant les défaites, pendant les victoires. Euh, nous lançons un appel solennel pour le deuxième match, que toute la population de Medina vienne soutenir l'équipe. Merci monsieur le secrétaire. Tourbi, Babacar mais nous may Mais mhm. équipe comme nous ko suñu physiquement Medina champion du titre.

le tenant du, ils ont fait tomber le tenant du titre, l'ASC Medina Fasbao. Donc nous allons suivre le match suivant qui va opposer l'ASC Diapo et l'ASC Fasbao. त दुःख Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à la mi-temps de la deuxième match qui a opposé l'ASC Diapo et l'ASC Sikap Un score de 0 à 0. Et je rappelle que le premier match s'est terminé sur un score de 2 à 0 en faveur de l'ASC Ngalam sur l'ASC Medina Fasbao, tenant du titre. Yeah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au terme de cette journée qui avait opposé lors du premier match l'ASC Medina Fasbao face à l'ASC Ngalam. L'ASC Ngalam a vaincu l'ASC Medina Fasbao par 2 buts à 0. Le deuxième match s'est terminé par 1 but à 0 en faveur de l'ASC Diapo qui un match qu'il avait opposé face à l'ASC Sikap Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voilà au terme de cette journée. Donc, abonnez-vous et restez connectés pour la suite des matchs de cette zone 10, Sikambao. On vous remercie et à la prochaine. Alors, je remercie l'équipe technique, les caméramans, Delphar et Eva Show. Ok, ladies and gentlemen, on se dit rendez-vous à tout à l'heure.